auditrices et auditeurs du studio Kalangu. bonjour et bienvenue dans cette première émission de la semaine du Niger sur Kalangu de ce lundi 10 juin 2024. Où que vous soyez, nous vous remercions de votre fidélité. Je suis Ali Moukela alias Seno et avec moi pour la présentation Rukayatou Abdraman. La technique est assurée par Mustapha Ayouba et à l'édition, nous avons la grande dame Adama Dawaki. Bonjour Rukayatou. Bonjour nous, ça va ce matin Je vais bien, merci. Alors, quel est le programme du jour Aujourd'hui, Rukayatou, nous avons préparé un programme époustouflant qui ne manquera point de retenir l'attention de nos auditeurs. Nous commencerons par un flash d'informations suivi d'un cocktail musical mettant en avant la musique nigérienne. Ensuite, nous aurons du loti avec le desk femme du studio Kalangu, suivi d'analyses sportives de notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Sans oublier la culture linguistique. Toujours dans ce menu, c'est nous, dans la rubrique invité du jour, nous recevons recevons El Haj Adamou Suleiman Abdulkarim, directeur artistique de l'association Sanou Sanou. Il est également artiste, scénographe, comédien et marionnettiste. Avec lui, nos échanges porteront sur la place de l'art, de la marionnette et de sa pratique au Niger. Et oui, dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Zander pour parler de Sanki Matassa, intronisé le 7 mars 2024. C'est avec les messages vocaux que nous allons clore cette édition. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un moment inoubliable en notre compagnie. Sans trop tarder, fidèles auditeurs, je vous propose de suivre le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Rukayatou, bonjour euh, Seno. Bonjour. Le flash euh, d'information à présent que nous allons débuter avec euh, le communiqué du gouvernement nigérien. Un communiqué publié samedi 8 juin dans lequel il a dénoncé des manœuvres des autorités béninoises concernant le différend entre les deux pays Envenimé cette semaine avec euh, le blocage du chargement du pétrole nigérien destiné à l'export au port de Semé ainsi que l'interpellation jeudi passé de cinq agents nigériens de l'entreprise chinoise Wakpo. Niamey tient le président en Talon, seul et unique responsable de toute violation de l'intégrité physique et morale de ses citoyens, avant d'annoncer qu'il prend en toutes les dispositions pour obtenir leur libération sans condition. Les autorités nigériennes ont également demandé à la République populaire de Chine partenaire stratégique dans l'exploitation du pétrole de prendre ses responsabilités en s'engageant clairement dans le respect de toutes les clauses contractuelles. De son côté, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a reçu samedi 8 juin une délégation du Conseil national de la jeunesse du Niger conduite par son président Sidi Mohamed. À leur sortie d'audience, Sidi Mohamed a déclaré à la presse que son organisation a discuté avec le chef de l'État sur la vie de la nation, la refondation du pays et sur la façon dont la jeunesse peut contribuer pour la sauvegarde de la patrie. Le président du Conseil national de la jeunesse indique également avoir fait cas au président du CNSP de quelques préoccupations de la jeunesse nigérienne, lequel leur a donné des sages conseils et des orientations. C'est désormais officiel, la fête de l'Aïd al-Fitr, fête de l'Aïd al-Adha ou encore fête de Tabaski sera célébrée cette année au Niger à la date du 16 juin 2024. L'annonce tant attendue a été faite à travers un communiqué le 7 juin passé par le Conseil islamique du Niger, mettant fin ainsi à plusieurs semaines de spéculation. L'instance religieuse a confirmé l'apparition du croissant lunaire marquant l'entrée dans le mois sacré de Julija. Dans la tradition musulmane, cette fête commémore le sacrifice demandé par Dieu à Abraham. Les musulmans commémorent donc chaque année cet événement en sacrifiant un animal. La fête de l'Aïd al marque également la, fête, la fin de la période du pèlerinage à la Mecque et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 10 juin 2024. Merci Mokhtar pour ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui comme invité Karim. Bonjour Karim. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence je rappelle que vous êtes directeur artistique de l'association Sanou Vous êtes aussi artiste, scénographe, comédien et marionnettiste. Avec vous, nous allons parler de la place de la marionnette et de sa pratique au Niger. Oui, mais avant de lui donner la parole, écoutons d'abord ensemble le premier titre de notre playlist. C'est parti avec le titre Guida. gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi gidanmu ya yi gidanku ƙasanmu ta yi ƙasarku komi kun ka zo da shi mun hiku kwanciyar hankali babu kamar mu kun ga wasan tabas ta hada kan mu Niger, Kasamu, Kasamu, kasan mu mu so gida mu so junan mu mu san daya mu babu kabarta, ta a wurin mu gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar Kobo ko gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar ya bar tsohon babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ga sako kashe ka gaya musu ka ce musu mu ne yan nishar hallon mun dauni ya sauyawa ni yadda za mu sa kasan ta ci gaba koma ya kai mu ba da rayuwar mu saboda kasan mu in mu aiki kasan mu za ta gyaru domin kanmu saboda gobe ne ake wankan dare mai hankali ya kamata ya gane saboda gobe ake wankan dare mai hankali ya kamata ya gane ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi Et oui, dans ce titre, Guida, l'artiste mystical, exhorte les jeunes Nigériens à préserver leur culture et leurs traditions. Il met en garde contre les dangers de l'abandon de ses racines culturelles, affirmant que ceux qui le font risquent de perdre leur identité et de se sentir déracinés. Ce message résonne particulièrement à une époque où la mondialisation et l'influence extérieure peuvent éroder les valeurs locales. Mr. Carl appelle ainsi à une prise de conscience collective pour protéger le patrimoine culturel garant de la continuité de l'identité des générations futures. Voilà, c'était le titre Guida de l'artiste Mr. Kal. À présent, on se tourne vers notre invité Abdul Karim. Rebonjour. Rebonjour. Pour commencer, dites-nous c'est quoi une marionnette Ok, euh, une marionnette, tout simplement, c'est un objet euh, que le manipulateur donne vie, à qui le manipulateur donne vie. Donc, dès que vous prenez un objet, vous le manipulez pour transmettre une émotion, ça devient de la marionnette. Mais il faut qu'il y ait une articulation. Ça, c'est <coughs> un élément important dans la définition de la marionnette. D'accord. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'art de la marionnette et comment avez-vous commencé votre carrière dans ce domaine Bien, euh, merci pour cette question. Euh, je pense que la marionnette, c'est euh, la porte d'entrée pour moi dans les domaines artistiques. Et c'est là, depuis que j'étais euh, enfant, parce que c'est à mes 10 ans, déjà <clears throat> j'aimais la lecture. Déjà, j'étais très attaché à la lecture. Donc, je suis allé au CCFN de Zender pour prêter des livres. 25 décembre et je suis tombé sur un spectacle de marionnettes. Ça m'a tellement émerveillé. Je les ai approchés pour leur demander mais comment on peut être avec vous. Donc ils me regardaient tout petit, ils riaient, ils disaient bon, euh, tu as ta carte euh, d'adhérent, donc c'est un atelier permanent. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on fait chemin ensemble. Ça continue. ça continue. <laughs> Et euh, Abdelkarim, ça fait combien d'années que vous êtes marionnettiste Bon, <laughs> c'est beaucoup, hein. ça fait, euh, <clears throat> bon, disons, depuis mon contact avec la marionnette jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans. Hum. Waouh! Ouais, ça fait 30 ans vraiment, mais euh, je faisais mon chemin, la marionnette était à côté. Je ne me suis pas consacré qu'à ça. Hum. Hum. Voilà. Eh, vous pouvez nous parler un peu de vos exploits La marionnette vous a amené loin. <coughs> Très loin, si je peux dire, et ça ne fait que commencer ça. Euh, comme j'ai l'habitude de dire, des fois quand les gens viennent chez moi pour travailler tout, après ils disent Ah, j'ai vu le marionnette quand j'étais chez Karim. J'ai dit non vous m'avez rencontré chez les marionnettes parce qu'elles sont mes tutrices. Moi, je vis chez elles, puisque c'est elles qui payent le loyer. Waouh euh, <laughs> Ça, c'est philosophique, hein <laughs> euh, en fait, euh, j'ai commencé à mettre en place une équipe depuis des années, je crois depuis 2008 comme ça. Mais bon, les jeunes, souvent, ils ne sont pas patients. Hmm. Ils sont pas patients. Donc, euh, j'ai continué comme ça, euh, tout seul. Euh, après, en 2012, je suis allé à l'école de théâtre. Donc, l'école de théâtre, c'est où exactement C'est au Bénin, ça s'appelle l'EITB, École ah internationale de théâtre du Bénin. Hmm. Mais là-bas, on ne fait pas la marionnette, c'est que du théâtre. Mais comme il y a du théâtre aussi, <clears throat> avec la marionnette, des fois, euh, on peut opter pour qu'un personnage dans une création théâtrale puisse être une marionnette au lieu d'être euh, un être humain. Mm. Voilà, donc, euh, je crois au temps de Covid, j'ai essayé de faire une petite sensibilisation qui a un peu émerveillé le gens jusqu'à ce que après, l'UNICEF m'a demandé à travers le ministère de la Culture euh, de, reprendre ça et pour qu'on puisse diffuser. Donc ensuite aussi, euh, il y a la thématique de la violence faite à la femme, où on a eu à faire des, vidéos avec. Donc il y a plusieurs sortes de marionnettes, il y a, plusieurs formes de, marionnettes. Mm-hmm. Euh, en ce qui concerne la marionnette géante, donc c'est un concept nouveau euh, pour l'Afrique de l'Ouest parce que euh, ça n'a pas duré quand ça a apparu. C'est dans la discipline des spectacles des rues, mmh. voilà, des street art et, tout ça. Alors, il y a un ami qui me dit Mais écoute, toi tu es un grand marionnettiste et tout ça mais pourquoi le Niger ne participe pas au jeu de la francophonie J'ai dit, bon, euh, tu sais, euh, certes on a les compétences, mais moi, je n'aime pas tout ce qui est protocolaire et tout. Mm. Nous, on veut être que dans l'artistique et tout ça. En tout cas, il m'a convaincu par la suite. Donc, on a mis une équipe de quatre filles. On a dit donc on va essayer ça avec des jeunes filles. Donc on a formé, on a formé physiquement, on a engagé un danseur professionnel qui a travaillé avec elle. Donc j'ai fabriqué les marionnettes pour être euh, aussi un peu dans, la tendance de ces choses. Donc j'ai collaboré aussi avec des amis à l'extérieur pour échanger des techniques et, tout. Donc ce qui a fait que euh, le spectacle qu'on a créé, mm non seulement il a été retenu pour les Jeux de, pour la, les jeux de, la, francophonie. Jeux la francophonie. 2000 combien euh, 2023. oui, oui, ok, à Kinshasa, en RDC, ok. Voilà, les hmm. derniers Jeux de la francophonie, là. Hmm. Euh, et c'est la première fois au Niger. Hmm. C'est pour la première fois qu'une équipe de, marionnettes, de marionnettes, voilà, participe, aux Jeux au jeu de, la francophonie. non seulement le fait d'être retenu, c'est euh, déjà une forme de, de valorisation de ce qu'on fait, hmm. parce que c'est quand même une sélection de haut niveau. Hmm. Et ensuite, on a été primé aussi. On a eu une médaille de bronze. Ah. Donc, pour une première participation. Eh bien, voilà. <laughs> Ça mérite des applaudissements. <laughs> Merci, bien. merci bien. Donc, euh, voilà, on a ensuite donc pas mal de, projets hmm. comme ça. Parce que depuis 2008, euh, je crois, il y a une idée qui me gratte l'esprit où j'ai commencé même à expérimenter ça. Hmm. En fait, c'est euh, d'amener la marionnette euh, dans les écoles primaires. Donc, présenter la marionnette même pas comme un objet d'art, hmm. mais comme un outil pédagogique comme un outil pédagogique. Donc j'ai pensé à un personnage euh, d'un Tukururu. D'un Tukururu, ça renvoie un peu à l'histoire des enfants terribles, hmm. sauf que là, c'est dans le sens affectif. C'est comme euh, quelqu'un qui dirait de son enfant, c'est un bandit. Hmm. Donc c'est pas pour le tâcher c'est pas pour le salir, mais c'est pour montrer sa prouesse. Donc hmm. c'est comme ça et, dans l'expression d'un Tukururu. Alors, Don là, je voulais le présenter dans des histoires différentes. Donc, lui, le personnage, il est là central. Et chaque histoire eh, sera basée sur l'instruction civique et la formation à la citoyenneté. Donc, on va diffuser dans des écoles primaires parce que la marionnette a un pouvoir très attractif, que ce soit avec des enfants, des adultes ou n'importe quel âge. Je crois qu'elle a un pouvoir attractif. Et aussi, je développe euh, euh, des, des, ateliers de marionnettes là avec euh, les objets de récupération, les bouteilles plastiques, les sachets plastiques. Et je le fais aussi avec les enfants hmm. pour les sensibiliser à, cette thématique grandiose scientifique <laughs> qu'on n'arrive même pas à comprendre. Mais quand on va avec les enfants, avec des choses qu'ils voient clairement, ils savent que pendant les vacances, il y aura inondation, les gens vont habiter dans les écoles. Donc ça, c'est des choses visibles. Ils voient qu'il fait très chaud, il y a beaucoup de choses qu'ils voient. Et à partir de, ces choses concrètes-là, on leur explique la thématique. Hmm. Donc euh, voilà, c'est un peu aussi ce que j'ai fait avec des, enfants. D'accord, c'est retenu quand même euh, dans cette première euh, partie de, de, nos échanges. Nous retenons que vous avez débuté l'art de, de, marionnette il y a fort longtemps. Vous avez, vous avez pris contact avec cet art depuis votre tendre enfance à partir euh, de 10 ans, lorsque vous avez 10 euh, ans, et que ça a commencé au niveau du centre culturel franco-nigérien de Zander. Et voilà, donc euh, jusqu'à aujourd'hui, ça continue et vous avez quand même remporté une médaille en bronze pour le Niger pendant les Jeux de la francophonie récents au niveau de, de la, RDC. On va continuer à avant de, poursuivre, marquons une petite pause musicale pour savourer un deuxième titre de notre sélection musicale d'aujourd'hui. C'est parti avec le titre Dunguri Hauru du fait Sheibu Ayeru. l'artiste Sheibou Ayerou, un titre qu'il a composé dans les années 80 dans le cadre de l'accompagnement de la politique euh, du régime du feu général Séné qui consiste à remettre les Nigériens au travail de la terre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, l'artiste vante dans sa chanson les vertus du niébé, une céréale longtemps négligée au profit du mil, du riz et du maïs. Voilà, c'était là le titre euh, d'Unguri Hauru. Poursuivons nos échanges avec euh, Abdul Karim. Je rappelle que euh, vous êtes le directeur artistique de l'association Sans nous, sans nous. vous êtes aussi artiste, scénographe, comédien et marionnettiste. Alors, je rappelle également que vous avez gagné une médaille récemment au Jeu euh, de la francophonie en RDC. Alors, quel rôle pensez-vous que euh, la marionnette peut jouer dans la transmission de la culture et des traditions nigériennes Je pense que, euh, bon, déjà, le Niger a une tradition de la marionnette. Le Niger a une tradition de la marionnette. C'est ce qu'on appelle généralement le Ndebou. Le Ndebou. Donc il y a ça dans la tradition, sauf que euh, nous, ce que nous faisons, c'est une euh, démarche complètement contemporaine. Donc euh, la marionnette, déjà, c'est un art qui sensibilise. Ça sensibilise, ça mobilise aussi les gens, ça crée de la joie avec les gens. Donc on c'est vraiment euh, un art pour moi qui est aussi attractif et à travers lequel on peut faire la promotion de notre patrimoine. Par exemple, les marionnettes euh, qui, ont, qui nous ont rapporté la médaille en RDC. Euh, je fais un maquillage dont je me suis inspiré du, du Wodabe dans le panthéon bourri hmm. Donc, c'est les adeptes de, de, dans le euh, comment on appelle ça le Wodabe. Donc, ils font euh, des maquillages très beaux, très impressionnants. Donc, je me suis inspiré de ça. Et on a tendance aussi à voir des jeunes qui se désintéressent beaucoup de nos choses culturelles. Donc moi, à travers la marionnette, en tout cas, je récupère beaucoup de choses dans le patrimoine. Mm. Mhm. Par exemple, je voulais, euh, dans l'avenir, refaire les, spectacles, euh, comment on les appelle, des spectacles culturels qu'on voit comme le... Euh, comment... Euh, c'est ce que font les Bororo Ouais, ouais, je vois. le nom de la danse là. la danse Bororo, ouais, ouais, ah, exactement. Voilà, avec des choses où tu le voit aller en hauteur, il revient donc, c'est trop beau. J'imagine que avec beaucoup de marionnettes, ça va être euh, tellement impressionnant. Hmm. Donc mhm. on peut aussi, c'est ça, je disais, capter dans notre culture, même les spectacles traditionnels pour les traiter autrement avec la marionnette, donc ça peut conserver quelque chose. Mm. Oui, mm. Abdul Karim, quels sont les principaux défis auxquels les marionnettistes nigériens sont confrontés aujourd'hui Je crois que c'est euh, le défi, c'est d'abord la formation. La formation, parce que euh, il n'y a pas de cadre de formation en marionnette et il faut qu'il y ait de la formation. Il faut aussi produire euh, pour euh, déjà attirer la jeunesse à s'intéresser parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est ce qui fait que des fois, les gens pensent que même ça n'existe pas au Niger. Hmm. Et vous savez, les productions artistiques, euh, ça coûte, c'est vraiment cher. Et on n'a pas de système de, de, financement conséquent. Donc ça aussi, c'est un véritable problème. Tant qu'on n'a pas de financement, c'est pas possible. Hmm. Mais là, euh, je crois qu'on peut inventer toujours, puisqu'on ramasse la poubelle pour créer des marionnettes. Mhm. Donc on peut le faire. Et puis, euh, on demande aux gens de payer 100 francs, 100 francs pour venir regarder des spectacles. Je pense que euh, déjà, ça peut créer quelque mm, chose. C'est accessible à tout le monde. Et justement, comment la marionnette est-elle perçue par le public nigérien voilà, là, euh, ça me rappelle euh, déjà à mes débuts, comme euh, vous connaissez la ville de Zender, on est trop islamisé et tout. Et voilà, quand j'ai commencé les marionnettes, ce sont mes premières difficultés comme ça, parce qu'on dit qu'on est en train de vénérer des statues. Donc, on a informé ma famille. Et comme je suis quelqu'un de têtu, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Donc malgré tout, je me suis battu. Il a fallu euh, un grand frère, paix qui était directeur de Medersa. Donc il est allé me surprendre au CCF pour voir ce qu'on faisait vraiment. Parce qu'ils ont vu que la famille a vu que je suis tellement attaché que c'est difficile de me connecter de ça. Donc il est venu, il a vu, euh, il a vu comment on, on, lit, comment on parlait le français. À ce moment, il dit non, que c'est bon. Donc c'est comme ça qu'on m'a laissé faire. Donc des fois, les gens euh, pensent que c'est satanique, euh, voilà, c'est des statues qu'on fait parler et que euh, à l'au-delà, on va nous demander de leur insuffler des, nouvelles âmes. <laughs> Donc c'est comme ça un peu la perception déjà, mais quand ils voient le spectacle, ils oublient toute leur perception là. Mm quand ils sont devant le spectacle. Mais après, on peut faire des commentaires, on dit, bon, ok, c'est des statuettes, c'est des trucs. On lit toujours euh, la marionnette à ça, pour la plupart. C'est noté. Alors, quel, conseil donnerez-vous aux jeunes artistes euh, qui souhaitent se lancer dans l'art de la marionnette En tout cas, je leur dis que euh, nous sommes là ouverts, puisque même cette semaine, je dois fabriquer des petites marionnettes. J'ai déjà informé les gens qui sont intéressés donc à venir regarder parce que ce n'est pas un atelier où je vais prendre en charge les taxis et tout ça. Mais c'est une opportunité que je leur donne euh, vraiment pour venir apprendre. Et s'ils ils veulent aussi créer des structures aussi, uniquement pour marionnettes, donc on est là vraiment pour euh, aider la jeunesse. Mais il faut que les gens s'y intéressent, puisque c'est ça aussi. Merci infiniment, Abdul Karim. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous souhaitons un bon vent pour euh, votre carrière euh, dans le domaine du marionnette. Alors, Ruki, on fait une petite pause et on revient juste après. Exactement. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, c'est nous, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Ruki, nous sommes lundi, nous allons parler justice. Exactement, c'est nous. La rubrique euh, justice d'aujourd'hui parle de l'exécution sommaire ou extrajudiciaire. Elle est strictement interdite par euh, le droit international en période de paix comme en situation de conflit. En quoi consiste euh, l'exécution sommaire Pour en savoir plus sur cette infraction, Anissé Karim s'est entretenu avec Oumarou Gajere Bilal, substitut du procureur près le tribunal de grande instance d'Agadez. L'exécution sommaire, en fait, est euh, une exécution donc euh, commise immédiatement sur une personne après avoir été accusée d'un crime sans procès équitable, généralement juste après sa capture. Donc, euh, sur la base d'une accusation, l'exécution s'ensuit ou l'exécution menée pendant une très courte période sans que, en fait, il n'ait été ou donner le temps vraiment d'avoir euh, un procès judiciaire équitable. C'est pour dire que ça rentre dans euh, ce qu'on peut aussi qualifier d'exécution extrajudiciaire. Des infractions existent dans le code pénal nigérien, dont leurs commissions sont passibles des mêmes peines que l'exécution sommaire. Oumarou Gajere Bilal, substitut du procureur, explique. Dans le code pénal nigérien, il y a un certain nombre d'infractions qui sont constitutives d'atteintes graves, euh, notamment euh, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et les génocides qui sont susceptibles de répondre euh, dans certaines circonstances euh, aux critères retenus donc euh, par la définition des exécutions sommaires. Ces infractions sont passibles de peine criminelle et peuvent être revues à la baisse pour une personne ayant agi sous ordre d'une autorité au vu de circonstances. Le génocide est puni de la peine de mort. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, donc ils sont aussi punis de la peine de mort. S'agissant maintenant des crimes de guerre, c'est là que en fait euh, il y a euh, pas mal de nuances parce que non seulement euh, les éléments constitutifs sont variables en fonction des circonstances, donc toujours selon ces circonstances, les dites infractions sont aussi passibles donc de peine lourde dont effectivement la peine capitale qui est la peine de mort. Les sanctions liées à l'exécution sommaire sont des infractions passibles de peine dont le minimum de la peine ne peut être en deçà de 10 ans selon le substitut Oumarou Gajere Bilal. Une personne ne peut pas se décharger parce qu'elle a agi sous l'ordre de la loi ou sous le commandement de l'autorité légitime, mais il peut arriver que la juridiction apprécie de par les circonstances pour apprécier la peine et dans un sens vraiment de la revoir à la baisse au lieu de la peine de mort qui est normalement prévu, La juridiction peut descendre jusqu'à 20 ans. Voilà, c'était la rubrique hebdomadaire justice. C'est nous, nous allons encore une fois de plus consommer de la musique. Cette fois-ci, on va aller avec le titre Kurba Kurba du groupe La Calcanée. bato halula goga furo wargida kusobo kurba kurba tasuza kai kogre batu para warkau ya kurba kurba nirga sokte dimdimiza fino masitar niga sokte bakul no ga sokte bavala bagit mavai inganda kurba kurba nyau dinawani gunda matuna piao loma kai loma kuku makama magon magona makama makama makungu guna tasu tasu matasu wargida matasu chine zarmatasu kurba kurba tasu yo tasu walfukande chappa

biya da shi da kuka wani nyama kula nyama kulla nyama kurba kurba afsa nyama kurba kurba kama hura da nauna we are the rosa fina directly in the ghetto the king of the fuda fuda of the king I'm a one on my one the top of et oui, le groupe euh, La Calcanée de Jaff euh, et des deux Noura ont composé le son Kurbo Kurba, un des titres phares de leur premier album dans un contexte particulier caractérisé par euh, la dépervation euh, culturelle de la jeunesse nigérienne qui, la plupart, renie sa culture. Son héritage pour adopter d'autres comportements. Oui, sinon c'était dans les années 90 pendant lesquelles les fadas et la vie en groupe dans les ghettos sont à la mode. À travers ce morceau, ils interpellent la jeunesse à respecter et savourer nos plats traditionnels. yau ake yau sa yau matala ligila ligulu kul amma so ita nasu nasu muko namu ne namu su da nasu ba guro mu da nasu makama Voilà, après cette euh, pause musicale, euh, chers auditeurs, direction Zander pour l'écho des régions. Oui, c'est nous dans la rubrique Écho des régions d'aujourd'hui. Nous allons à la découverte de Serkim Matassa de Zender. Oui, il s'agit de Mahamadou Oumal Ousseini, intronisé le 7 mars 2024 par le sultan du Damagaram. En effet, le titre de Serkim Matassa n'existait pas dans l'ordre des titres du sultanat de Damagaram, mais compte tenu du contexte actuel de la vie de la jeunesse, le sultan a jugé utile de créer ce titre opérateur économique et natif de Zender, Mahamadou Ousseini nous explique sa mission et ses objectifs. Écoutons son entretien avec Ali Keita. Me ake nihi da sarkin matasan da magana? Sarauta ce wadda ta taho daga tushe. wai ba kirkire ba ne ba saboda cikin wasu masarautun ne na hausa yana ga sarauta wannan tana cikin ta goma sha uku ne aikin sarkin matasa na farko dai yana jan hankalin matasa su hasa zaman banza su tashi su nema aikin yi wani aikin da matashi zai nema duk inda za ka shiga ka huta ko dukiyarka za ta lalace don ka nema ma matashi aiki wannan kana kan bakan shi abu na farko abu na biyu shi sarkin matasa kuma a yanzu a damagara yana biyu guri-guri yana waye ma mutane kai bisa kan shaye-shaye bisa kan faɗace-faɗace saboda wannan abu ne mai da ƙasa baya in yau aka ce a cikin wannan matasan nawa wani abu ya samu ɗaya daga ciki gani nake ni ne aka rage ba ƙara na bane aka in dai ba abu bane ba na alkhairi abu na uku ga tahiya ta masarauta ta matasa misali ba nan iya da makaran ba hatta da ƙauyuka ko dare ko rana in wani abu suke yi suna kiran mu muna zuwa abin da ya fi mu muna neman shugabanninmu su kama mana don mu ma matasa wannan abin kuma in abin bai karhin mu iya mu kaɗai ma muna maganin shi saboda wannan shine abin alfaharin matasa abin alfaharin ba wai an naɗa mana ba sarauta don suna dan a raka ce ma sarkin matasa in wannan ne a gidan kuma ai kana iya yi akwai matasa samari akwai matasa yan mata wajen bangaren yan mata fa a yanzu da muka hiba da karhi ma wajen mata kusan kokarin da muka fara yi kan mata muna bi guri guri tunda mu ma muna da wakilai mata saboda akwai gurin da kamar ban ma da ikon shiga ciki amma za mu tura iya mace kuma iya mata akwai wanda in muka ga kamar suna sana'a wanda sana'a su ta yanzu da yake yanayi na rayuwa mai karamin jari yanzu yana zama kasa to wannan muna yin kokari mu je wajen mai girma da yawun da wannan matasan suna neman tallafi na jari don su ci gaba da kasuwancinsu saboda rashin kasuwancin wannan da rashin aikin yin wannan shine yake kai mata suke huta barace barace eh, wani irin kalubale ne kake fuskanta a matsayinka na sarkin matasa har yanzu duk kalubalen da zai zo min akwai maganin shi Allah ya bani saboda ba ba a samu ba amma ina maganin shi to abin da nake maganin shi ai ba na ce ba ina ganin shi an kalubale ne na kama wani hadace kwadace na haɗa hannu da hakuma wanda direti ina iya kiranta in kwatanta mata ga yanda ake ci ga yanda ake ci kuma a kai sai suna kama dokaki. an kalubale ne na isko na wata rigima akan kuɗi in ba ta heba karhi na ina shiga tsakani in ba da wannan kuɗin in ce a tahi kuma ko da rigima ce ta tsakanin zamantakewa ta armi ta kan matasa ko kuwa na wani abu na kan matasa wannan abin in na ga ya haƙari na ina iya ba ku lokaci in ce a jima ku dawo kafin ku dawo zan yi tattaki in je in iske mai martaba wani kiyashi na kwanakin baya ya nuna da cewa gidan kasa na da magamina tsage da matasa kankana a matsayin ka yanzu da ke kana da nauyin matasa wani irin kokarin ko hoɓasa ne kake nan kake yi wannan abun kawai su taya mu da addu'a Allah sa matasa su gane wannan shaye-shaye ba amfani bane ba dan a hwasa kai su kokarin da nake akan matasa na gidan kaso muna bi hanya diddigi muna neman takardun matasan da suke gidan kaso wanda yake hannun hakuma muna neman alfarma wanda ba wani laifi bane ba kamar na kisa tun kafin a je gidan kaso ma an muka ji labari muna zuwa kuma hukuma tana ba mu belin wannan mutumin ba tare da mun ba da wani kuɗi ba tare da rigar wannan ta kima mu da saga mu ma ma'aikata ne tunda sun ɗauke mu da mu da su duka ɗaya ne muna ta ƙoƙari akan wannan abun kuma muna ta ma matasa addu'a da na tabura da na gidan kaso da mu kanmu na gida tunda in baka kare ba rayuwa ai baka ce ka tsira da wannan Allah sa mu ji mu gani kuma abin da nake kira ga matasa mi da'a mi biyayya Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, accueillons Adam Sariou, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Adam. Bonjour Seno, bonjour Ruki. Bonjour Adam. Alors avec quoi euh, allons-nous débuter ce premier numéro de la semaine Eh bien Seno, l'actualité sportive sur le continent est dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Eh bien, nous avons jugé utile de revenir sur les événements importants de cette troisième journée. D'abord par l'équipe nationale du football, le MENA, qui s'est vu son match annulé après le forfait contre le Congo-Brazzaville. Les champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, s'est imposée un but à zéro face à une bonne équipe des Panthers du Gabon, amenée par Pierre Emerick Aubameyang en pointe de l'attaque. L'Algérie s'est fait surprendre à domicile par le Sili national de la Guinée-Conakry sur le score de 2 buts à 1. Et les Lions indomptables du Cameroun, de son côté, a gagné son match contre le Cap Vert sur une victoire de 4 buts à 1 avec un doublé de Vincent Aboubakar. Le Mali a perdu 2 buts à 1 face au Black Star du Ghana à Bamako. Même score entre l'Égypte et le Burkina Faso en faveur des Pharaons. Le Nigeria a été tenu en échec, un but partout face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Même score entre Sénégal et la République démocratique du Congo. Merci Adam pour ces informations. Parlons à présent de l'opine Abidjan de Jido. train dans le cadre de la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024, ce tournoi s'est tenu à Abidjan du 6 au 9 juin. Eh bien oui, Ruki, et dans ce tournoi, la meilleure performance nigérienne a été réalisée par Rabi Latou Maman, qui a remporté une médaille d'or dans la catégorie de moins de 55 kg en judo et elle augmente le taux des athlètes nigériens qualifiés aux Jeux olympiques de Paris 2024. La jeune fille nigérienne n'a pas pu retenir ses larmes face à l'émotion lors de l'hymne national du Niger, des images qui ont rapidement fait le tour des pages des réseaux sociaux. Alors pour finir, Adam, euh, parlons de la tournée du président de la FENIFOOT à l'intérieur du pays. Eh bien oui, c'est nous, cette tournée du colonel-major Jibril Hima Hamidou se poursuit après Dosso, Tawa, Agadez et Zander. C'est la capitale économique Maradi qui a accueilli cette délégation de la FENIFOOT dans l'après-midi du samedi 8 juin 2024. Nous allons revenir sur les détails dans nos prochains numéros. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif. À demain avec euh, Hasumi Grouza. Mhm. Merci Adam pour ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de passer à une autre rubrique. C'est nous, c'est laquelle Et oui, euh, c'est le portrait du jour. On va découvrir la star du jour, Rukaya. C'est l'heure, euh, bien évidemment. Et nous vous présentons Aïsata Awadoum, euh, enseignante à la retraite et membre de l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme, ANDDH, depuis 1991. Elle est engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Voici son portrait avec Salamot Kadri. aisat awadum mantikala izugunyano a gwanda jiru waiducin da hakku a sin kurnye ce wanda kono a wani antar yanwo banda a furkun da fora kan tangan muna da mai alhakai sai kan sai igane a nddh wadin banda a gokun da fora mo kan gatangan da ka bukun futa kan igite wai boraisi irin hangan gama a tarifo se a nddh ya igita maza kadirin ta ne gwara a te president za 2006 kal 2021 son go a nddh bureau national nyame ya gidi place koi ay cadre de concertation violence faite aux femmes ay go cadre de concertation régionale par rapport à l'insécurité ay de ONG fo kay ne ONG comité d'appui au développement local aigu go mata de matasa en tant qu'encadreur et en même temps superviseur terrain wallahi go tanga mo kay go te dai ni di borbo kan go coordinatrice violence basée sur le genre zamai man wodin chinse da wai bare gondo masala ikka ikace se bonga da bayra ay ga da kurin yaino da hanzura yaino da armaino ay diran irin irim cecigi sasbande o ka o hankan bisiro no zamdi ni bora karwali ni bora kom wadda de sanni no kirgi ni danga ay giga ay mi plentore di je mi assiste mi accompagner, kala au niveau de la justice zamno de mbombo justice ay gondo go zamay wo défenseur commis d'office no je roule je roule d'un avocat mais non n'est pas avocat professionnel Abdulrashid la mantikala Aisata wana hamanu ane an gona ga maka da goye kan ga wani kayo gona ga ci zama ane a gowai bore kan gona ga tangam tilbe gandasi to kai gingi ciyani sabon da ita kan gurwan garno zama yi wasu yi singa babu domin karagu ya kunda ya na ga intervenir si si le violence ba sur le ja formation tu ya kul kan yi bare hayo ga yi mi ala ta tai si ga intervenir nodi e eh, ya kul kan ti formation harka gwara formatrice no encadrer no ya kul na ga ti wallahi a goda almiyaru hausin normal na gukwai gam da kwai a yin goyote am kawo ni sigan ya kan famiyora ingi zai da hami watkul salmare normal problem si mine akwai bare gocer wa wale fono da kwai matka din windo na ya ni windo gagada ya oken problem da ya kamo alhamdulillah aka ga gwedin windo sai tun fam batant rien à sin de kurka sans windo wara ma windo ne le le quartier même a ti la beri mko ha me ta wadu bukkan ha aiki ne pour burkan aisat awadum a gonaga tangam wai bara alhaka ise yadin mono a gonaga wai borai zuga imutunga kan ingai bonga gadi ingai bonsi. irma hangan to ai wace yan kango kango ise de no kata wani wani ruwai bare irhim kai no ka tangam dibor ne ni ba ni himando niskan ne daro bo imajar kan dan se yimande wo bor no gitan gudu wani bonsi le sarash afu wai afo borai mu kai gingai bon kai inda ceci ci gingai satai e sokon kan gane im kabdan char kambara e sannan im tafo i waf kai im tafo im du char bande wodin gano i hin gingai bumbu gutun gingai bon arzaka ceci zamo bor wotan ko sin bon arzaka ni si ba alborno din la sabu da sin dinga bon azaka sin da haikul ba anga tuwindo albero a si din sin din kamal zaka mo irim didi fo ne wai bari e politik ni jar wai bari tanga fa politik ngai no kowa ngai no mote bon kari ngai no kampani amma kan sin dir bon alzaka kan ganin din ni da kandidatire gisi irin mu haifote irin mu dugir kampani tin ni di irin mu tarago du plasiyan ayimne ayi wayra eh, gwamnatora wala assemblera zam sin sene tanke we borwo tuni pa autonom ni sin den kamba arzaka ni sini ni wono do no bon bor dura ka daidin gwanda bon arsaka bor bon dura kadedin ni cece bor bon dura kadin gwanda kokari kadin gwanda bore yadda kadin ga yadda da bore sanne wodin kul har yanno kai irin salon wai bare sai ibo abanda fo irin ne sakulla kan gotel be region na yana sida a zamir wo wai bare yanno irsu mm, eh, malfasan ba koi wongu walir siyakin da ke irga ni kandirga ka sine hanna kuddumi zamir no da yebon irno faraira no kyabai do no no ga bai sanne kan go guzurgu winda bore da kira gamara irwan wannoyr kurñeeri wannoyre isa ir wonnir armay hal ne dini izona alhal barmay ni kanti ñongo wani kanti way mani himga ceciga bay alhaal fo dem ranago may no gandago cargana zaman fo cargan yungo dinno kandi ga masala ndi wadin kulu irga sinano kai kan ir kan ga dirgumo oy bare ir no ga talle ir no ga nerandi bore ka ngwade irga irga bora la bundin lakkale al hal fo dimno bora se borno kan ag him bollal wal borno kil lakkale mar kanaga borno kil signa naga ir hima ir mkoy gire sanno ci ir kure ko mai goro walir mutoda soo jeydo ingai wogo bay mat kigite gudu bara wal gabay bara barkanno to ndi kulu irgo wongo me wonguno wodin me bakan sirsin malfa irgo tangam hakan lakra irgo go tangam mo zamir gire isa yamar irgir kurnye yamar bor mo ha goy da faal bayan fikinde zamdin ne ga ba faal ga bisa bor ne semo kandin din mal ne ko malf koy gana ne koy ga isu gana ne ga gan noro sartin gudu noro din sangwa da bani kundi sino ramai goro wi a tarba ina bai mai wi wali na esse jami mu tabbatar da kan hanfo igini igini mo wi zamdi man ni igini nya wi wali man ba wala han kan hani imura da ita ibanan din ga igini wi me ya ni gani man duwar zakfa dinga mila arzakfa non du matfal non ya din mono a gona ga jinda dantil ber ganda wai bore kul ga imtunga kai ga tangam kan ganan dai lakkal kana wo am yi ka tilbir wani gandara Voilà, c'était là le portrait de Aïsata Awadoum euh, Ruki. On passe au loti du jour. Oui, dans cette euh, loti, on va parler des enfants. À un certain âge, il n'est pas prudent de laisser les enfants seuls à la maison pour éviter des problèmes et des accidents. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter ces, échanges de Fante Shamsou et Rakia Arimi. Affairage, affairage, affairage, affairage. Kiki, qui vois-je là fait ma chérie, c'est toi Masha'Allah, ça fait longtemps. Comment tu vas Je vais bien, Alhamdulillah. Au moins, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, ça fait longtemps. Presque deux ans même. Depuis le baptême de ton fils Ridouane, comment il va même Il va bien. Je l'ai laissé à la maison. Ce n'est pas facile de faire des courses avec un enfant au dos. Ah, vraiment, je te comprends. C'est très pénible de traîner un enfant, surtout au marché. Vraiment. Donc, tu l'as laissé avec son papa Son papa non, non, non, non, non. C'est lui-même qui m'a déposé ici au marché. Il est parti à la Fatih à Dembaptin. Ah, d'accord. Mais tu l'as laissé avec qui Tu as une nounou hum, Ouma, je n'ai pas de nounou. Wallahi, il dormait quand je suis sortie. Donc je l'ai laissé seul à la maison. Seul Ridouane qui n'a même pas deux ans. Hé, ne t'inquiète pas. J'ai bien pris le soin de fermer la maison à clé. Comme c'est là, il ne risque rien. Personne ne va le déranger. J'ai fini vite mes courses et je rentre direct. Je dois juste passer chez mon tailleur comme c'est sur ma route là. Sophie, tu es sûre que tout va bien dans ta tête Tu es quel genre de mère même Ouma, tu paniques comme ça Parce que j'ai laissé Ridouane seul à la maison Ça ne fait rien, mais... Hum, j'ai l'habitude de faire ça. Et quand je rentre, à chaque fois, il dort à point fermé. Mm. Même maintenant, je suis sûre qu'il dort tranquillement. T'inquiète. Sophie, hmm? tu es vraiment la maman la plus bizarre que je connaisse. Subhanallah. Comment peut-on enfermer un enfant et sortir tranquillement Est-ce que au moins tu connais le nombre des risques que tu prends Tu es courageuse même. calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Et en plus, ce n'est même pas la première fois que j'ai fait ça. Le seul risque, c'est le fait qu'il se réveille. Et pour cela, j'ai fait vite pour terminer et rentrer. Hum. Sophie, tu ne dois jamais laisser un enfant seul à la maison, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Un enfant doit être sous surveillance permanente. Ridouane peut se réveiller à tout moment et pleurer. Rien que ceci peut le traumatiser. Hé, eh, ça là, ce n'est rien. Traumatiser là, c'est juste pour les enfants des Blancs. Sophie, le traumatisme ne connaît pas de couleur, ma chérie. En plus du traumatisme, ton enfant peut traîner seul et causer des dégâts de la maison. Je ne le souhaite pas, mais il peut se couper par exemple, ou pire encore, causer un accident domestique. Causer accident domestique C'est quoi ça encore Un accident domestique, ce sont les incendies, les brûlures, coupures avec des couteaux, chutes ou bien asphyxie, ou même étouffement et autres. Les enfants sont des natures très curieux. Ils veulent toucher à tout et connaître tout. Il peut par mégarde aller dans ta cuisine, ouvrir le gaz et s'asphyxier, ou pire encore déclencher un incendie. subhanallah, subhanallah, Dieu m'en garde. Ouma, si c'est pour me faire peur que tu me racontes tout ça, je t'arrête tout de suite. Ma chérie, ce n'est vraiment pas pour te faire peur ou pour te souhaiter du malheur. Mais tu dois vraiment prendre garde et arrêter de laisser ton bébé seul à la maison. Ce n'est pas prudent du tout. La prochaine fois, tu peux le confier au moins à tes voisines, le temps de faire tes courses, ou bien trouve-toi une nounou responsable carrément. Voilà, tu as raison. Je ne sais même pas si je pourrai terminer mes courses. Tout ce dont j'ai envie, c'est de rentrer et retrouver Ridouane. Oh Allah. J'espère qu'il va bien. Je l'espère aussi, ma chérie. Rentre vite, Wallah. Qu'Allah préserve ton Ridouane. Taxi, Amin, Amin, Amin, merci. Omar. Taxi, taxi. chers auditeurs, c'était le loti du jour. À présent, retrouvons Samira pour la culture linguistique en anglais et en français. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to your show Culture linguistique. Dans quelques jours, la communauté musulmane s'apprête à célébrer la fête de Tabaski, ou fête du mouton. In few days, Muslim community is preparing to celebrate the fête of Tabaski or fête of sheep. La Tabaski, appelée aussi Eid al-Kabir, qui signifie la grande fête, elle est la plus importante en islam après l'Eid al-Fitr, la fête qui célèbre la fin du mois de Ramadan. Tabaski is the most important in Islam after Eid al-Fitr. Le jour de la fête de Tabaski, les musulmans se rendent à la mosquée pour la prière spéciale de l'Aïd. On the day of Tabaski festival, Muslims go to the mosque to the special prayer. Après la prière, le mouton est immolé suivant les enseignements religieux en guise de sacrifice. After the prayer, the sheep is sacrificed. Le mot du jour est sacrifice. En anglais ou en français, le mot sacrifice ne change pas à l'écrit, mais la prononciation diffère et se lit sacrifice. Le sacrifice est une offrande à une divinité. Sacrifice is an act of giving up some things valued for the sake of something else as more important. Sacrifice is an act of giving up things value for the sake of something else as more important. Un exemple. Pour la fête de Tabaski, il est recommandé aux musulmans possédant un moyen d'immoler un animal en guise de sacrifice. That means, for the festival of Tabaski, It is recommended that Muslims who have the means to immolate an animal as a sacrifice. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. Ladies and gentlemen, that's all for today. On se dit au revoir et à très bientôt. Studio Kalangu vous souhaite bonne fête de Tabaski. Voilà, merci Samira. À la prochaine, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en jarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 64. Justement, écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Nina Hamza studio kalangu muna jin daɗin saurari ne kowane lokaci saboda shirye shiryen su muna samun labaru na cikin nijar duk abin da an kai sosai da lokaci ya muna bin su so da ƙafa muna saurare saboda muna jin daɗin labarunsu sosai ma muna samun karuwa mu je wa da labarun mu nan nijar mu take ciki shi yasa muke sauraren shi sosai na ba mu labarin ƙasa sai mu je kamar ɗibina muke ba mu komi amma ko muna cikin gida da mun kamo zai mun san labarin ƙasa wadda ke ciki gaskiya shirye-shiryen su muna jin daɗin sosai allah ya taimaka allah ya ƙara musu ayyukansu su inganta sosai Assalamu alaikum suna na Malam Abdu Farizan na Association ta Donar da San Reshen Gunduma Arlit. Eh, Radio Kalango a kodon lokaci duk maraice na Allah ina sauraron su ina jira gaskiya duk a cikin kasar Nijar kowace department kuna da wakilan ku. Gaskiya shirin ku yana kayatar da mutane a hakikanin gaskiya tsakani da Allah. Sai mu ce alhamdulillah Radio Kalango tana waye ma mutane da kai tana yawan talakawa da kai birni da kauye bisa kan ta tahiyar da zamantakewa rayuwar zaman duniya. Sai mu ce nan masha Allahu alhamdulillah muna kai godiya daga station eh, radio kalangu eh to musamman dai gaisuwa ta ta farko dai ina gaida alhaji bubakar wanda ke da kes anin ne bayan kwamsiriya ta arlit first interview ina gaida blende ina gaida abokina mamman gungu ina gaida abokina ada wanda ke can garin akokan ina gaida alhaji habu mai atamfa ina gaida alhaji zabaru alhaji dinar da ina gaida su ina gaida aliliyo ladanin mu na kominak Nous sommes à la fin de cette édition de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rukayatou et moi-même Ali Moukalaoussène alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. Bon début de semaine à tous.